Macky Sall le dictateur En direct du Montréal, Canada, manifestation pour, pour la population du Sénégal.

Vous êtes en direct du Canada, du Canada, au moins avec la population sénégalaise. dégage. Macky Sall assassin Macky Sall assassin Sénégal. Vous êtes en direct Canada à Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Sall assassin. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. assassin. Macky Sall dictateur. Macky Sall assassin. Macky Sall dictateur. Macky Sall

Pakistan asasın. Macky Sall le fils de pute Macky Sall le fils de pute Macky Sall le fils de pute mais il faut que moi de l'organisation s'il vous plaît. ok les gars. les gars voilà les gars il y a deux choses ben oui moi on me signale que ni ñuy dafa donc il faut que moi am ben masse compacte puis avancer ça c'est une chose la deuxième chose les gars c'est important ñu rester ci trottoir bi parce que manma wax ak la police et dañu bëgg xam nañ ne que fi ñuy jëm ça se peut que semaine prochaine même ñu waxal leen ngeen ñëwaat et bëgguñu am benn problème avec la police donc gars yi ñi nga xamante ne ñoo yor les pancartes yi nek les banderoles dañu nek ci kanam gars yi je sais que tout le monde peut se montrer ngi filmé mais nekk leen derrière s'il vous plaît parce que sinon on va ça va être désordre. ok gars yi restez sur le trottoir et derrière les banderoles ana banderoles yi ñoom ñoo ko yor. propose. les banderoles dafa limité territoire bi dafa war a limité territoire bi. les banderoles les gars devant vous ralentissez la caméra. les gars s'il vous plaît non il faut que ñu dem cadence bi cadence bi ci kanam. la barre la barre la barre. derrière derrière. tout le monde derrière. ok tout le monde derrière. tout le monde tout le monde gars s'il vous plaît derrière. tout le monde derrière. parce que tout le monde on peut pas marcher. gars yi derrière. ok gars yi bëgg a filmer nañ dem si ginnaaw quoi. parce que loolu dafa war a limité mais moom laa la.

seen gars yi soyez derrière s'il vous plaît bàyyi leen filmer bi soyez derrière. parce que bu ngeen nekkee si kanam nii da ngeen di yàq kii bi. ok merci les gars soyez derrière. restez derrière. ñi yor pancarte devant. c'est bon. les pancartes Souleymane Ndiaye Souleymane. Souleymane ici. ñoo nii Souleymane ñoo nii. les banderoles. les banderoles d'abord. ok.

Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Sall assassin Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le assassin. Macky Sall le assassin. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Baby. c'est bon c'est bon. Sénégal yéen a ngi fii Canada déplacement à Montréal précisément à Montréal.

yéen a ngi en direct depuis Montréal. vous voyez police boo ñu encadré jox autorisation ñu jël tali bi yëpp lii rek wan na ni lii du Sénégal.

avance doucement, gaz. On avance doucement devant. Les gars, les gars, on avance, s'il vous plaît. On ne peut pas s'arrêter parce que sinon ça devient illégal. Mais s'il vous plaît, marchez doucement. Ici à Saint-Urbain, on va tourner à gauche. À la prochaine rue, on tourne à gauche. Donc on se prépare. Merci. Qui ça le dictateur On ralentit un peu, on ralentit un On ralentit un peu devant les gars. Okay. Não, não. frère patriote Mamadou Seck coordonnateur de Grand Dakar SG Passef Dakar je veux dire ex ex SG Dakar ex coordinateur passef Dakar se Grand Dakar vous êtes en direct de Montréal Pakistan le dictateur Pakistan Millet média yaa yaa ngi jot na TV. Nossa, é avec une mobilisation exceptionnelle réclamer la démission immédiate de Macky la libération de Ousmane Sonko Yep. Go, go, go.

arrière, on avance, on avance. Ok, les gars, s'il vous plaît, est-ce que nous n'avons pas fait Voilà, nous voici. À part ce nous sommes pas restés. Les gars, on est arrivé là. Gars, s'il vous plaît. Gars, il est Gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut descendre anam voilà wàcc ñi ñëw ñu wàcc ñu wàcc rek gaa gaa jàpp leen si ñu wàcc dem gaa bu ngeen def si tali bi yéeg leen s'il vous plaît ñu wàcc gaa est-ce qu'il y a encore du monde de l'autre côté gars yi s'il vous plaît ñu jege tali bi Voilà. Il faut qu'on fasse descendre les gens. Il faut qu'on fasse descendre les gens. c'est bon. Voilà.

les gars salam alaikum. je pense que c'est la première fois nous avons autant de monde je peux vous dire que en 2011 puis nous avons fait. Nous manifesté manifester à l'époque pour le départ de Abdoulaye Wade avons ñi dañu à l'époque mais liñ fi gis nii tey mosuñ ko gis et ce qui est extraordinaire c'est seulement en deux jours qu'on a pu revenir autant de monde et on naa ñu bari bari ñoo xamante ne bëggoon nañu ñëw mais ñëw et au même moment niñ koy defee à Montréal loolu lañ koy à Ottawa c'est parce que simplement l'heure est grave tey képp koo xamante ne bii Sénégalais nga ak foo mënti nekk si àdduna bi sa xool neexul. xanaa ak li nga xamante ne mooy xew Sénégal te kenn teguñu ko ku dul Macky Sall. moom ak régime am jàpp ne que nguur gi mu yor du jeex et que lu ko neex mën na ko ci def jàpp ne que mën na noot Sénégalais yi jàpp ne que mën na tiital Sénégalais yi mais tey li nga xamante ne merci tey li nga xamante ne les Sénégalais l'ont montré ci ñetti fan yi

sommes au Sénégal nous mettons si mais nous vivons beaucoup plus dur que ça ci ci donc ça va être important nous continuons de continuer encourager nous continuons de les jàppale foofu nga xamante bi fa la ñu ils font face à la mort ils font face aux tortures ils font face à l'emprisonnement donc les sénégalais mettent, nous na mais nous, continuons continuer les faire

nous avons la vérité avec nous donc un mot en français à la communauté africaine nos frères et sœurs africains qui sont présents c'est pour vous dire qu'on est vraiment très contents, on est très fiers ça montre cette unité africaine ça montre que quand quelque chose touche à un frère africain les autres africains aussi le ressentent Aujourd'hui, on est là, comme vous le voyez, vous êtes tous sûrement en train de suivre ce qui est en train de se passer au Sénégal. Un peuple qui dire aujourd'hui meurtri, parce qu'on a un pouvoir, on a un président qui semble à rester au pouvoir par tous les moyens, même les plus répressifs, les plus sanglants et les plus meurtriers. Aujourd'hui, des Sénégalais sont tués, des Sénégalais sont torturés, des Sénégalais sont emprisonnés injustement parce que simplement on a un président de la République qui veut s'éterniser au pouvoir, qui est entouré de spires, qui est entouré de, de, de, de, euh, menteurs qui font tout simplement parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Il y a une autre chose qui est importante aujourd'hui. Et les gars, nous, tous, nous devons en être convaincus. On a un leader à protéger. Et ce leader, c'est qui Ce leader, c'est qui Alors, les gars, les, gars, donc, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est parce qu'il y a un espoir qui est placé en cet homme-là. C'est ce qui fait que tous les Sénégalais, quelle que soit soit l'ampleur de ce qu'on veut leur faire vivre, ils sont prêts à résister, ils sont prêts à dire non. Alors les gars, ça. Euh, alors ça, oui, oui, Awa merci. Donc, non, c'est important ça. Les gars, devant le vous plaît, parlez en français en français pour les autres. Les, gars, il euh, y a une chose qui est hyper importante. Je le disais tout à l'heure au niveau de la diaspora. On peut soutenir de différentes façons. Et un des soutiens qui est hyper important, on me le signale, c'est le soutien financier que vous en faites beaucoup. Alors, Awa, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste monter Parce que comme ça, les personnes qui veulent donner... Il est où Suleiman aussi Suleiman, il est où Suleiman Suleiman. Ok, c'est pas, grave. Donc, si vous, vous avez envie, si vous voulez donner un coup de main, si vous voulez soutenir, approchez-vous de la sœur Awa Kamara. Donc, elle s'occupe des finances. Et s'il vous plaît... C'est important dans le moment où on est, c'est important dans le contexte. On a besoin de soutien à tous les niveaux, surtout au niveau financier. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va donner juste à quelques personnes qui sont présentes ici, responsables de PASEP et aussi d'autres entités politiques. On va leur donner la parole pour, euh, euh, les, euh, livrer un message. Seulement PASEP, c'est asalaamaaleykum man balaa may wax dara dama bëgg maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp parce que on a des morts et on souffre ñu jël une minute de silence ñu ñaanal suñu nit way dawlu yi parce que lii xew Sénégal métti na trop donc maa ngi leen di ñaan ku si nekk. pas de silence l'Ikhlas. pas de silence ñu def ku si nekk ñu jël une minute ñu jàng onze l'Ikhlas. yéene ko ñi nga champ de bataille c'est des martyrs pour la liberté et la démocratie donc nous jël une minute nous jàngaleen les lixlaas ak ku à nekk salaatu ala nabi bi nga mën nga def ko ci ngir yàlla lixlaas xul on va faire une minute de prière pour nos martyrs qui sont tombés sur le champ de bataille comme euh, pour vivre la liberté et la démocratie au Sénégal donc une minute de prière s'il vous plaît merci beaucoup

Gracias. Gracias. Les gars, on a, on a, on a très bien fait ça jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. Là, c'est la dernière partie. On écoute juste les messages. Après, on va pouvoir se séparer tranquillement comme on l'a fait. S'il vous plaît. Donc, n'y va pas respect, on les écoute. des Sénégalais, des enfants des Sénégalais qui sont assassinés comme ça, sans compter la paralysie de l'économie, tous ces dégâts matériels, tous ces prisonniers. et je vous encourage aussi pour vous féliciter cette belle mobilisation. Non, non, mukk mukk jégal ñu ko rek. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin de nous. Billahi yàlla ko tax yàlla dafa ma sutural. Quand le Sénégal a besoin de nous, il n'y a plus de parti qui tiennent, il n'y a plus de coalition qui tiennent, il n'y a plus de de femmes tienne pour qu'on s'unisse régler le problème du Sénégal. Après, on va finir à le message du parti de l'unité et du rassemblement. C'est notre position vous savez tous que le parti de l'unité et du rassemblement, le Seigneur Mohamed Moustapha est un allié sûr, un allié bien, un allié du peuple sénégalais était toujours là du côté du peuple et vous nous verrez toujours du côté du peuple. On est aujourd'hui mobilisés ici au, à, euh, à Montréal pour faire la même mobilisation. Demain à Québec, ceux qui sont du côté du Québec, vous allez là-bas, on va défendre notre camarade tous les amis qui sont, qui sont euh, dans les prisons au niveau du parti PASTEF pour le, le, le défendre, pour démontrer notre solidarité à nos compatriotes de soutenir la justice sénégalaise qui est en cause. Donc dans ce cas-là, euh, nous c'est le Sénégal qui est, qui est en cause. aujourd'hui, nom du parti de l'Union de wax leen ci nerf yi nerf yi du yoon. s'il vous plaît est-ce que wax leen ci. ak mu yor leen banderole bi on en avait deux. ak marabu nerf yi marabu nerf yi. la personne s'approche de Babacar Sarr pour lui donner. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. amul politique. nerf um. bi yaa ngi rey. policier yaa ngi rey. Macky Sall mi ngi rey. dañuy wax waxu dëgg. Actuellement, on est en révolution. La révolution, c'est se préparer au mieux Parce que lorsqu'on n'est pas prêt, C'est aussi se préparer au pire. Parce que lorsqu'on n'est pas prêt, on se détruit soi-même. est on est prêt. action Vous vous mobiliser vous mobiliser vous pouvez nous mobiliser c'est une action c'est une action partagé leen partagé leen Macky Sall moomu ko de partagé leen partagé leen

Donc on va essayer de prendre quelques réactions.